Macron, tu as déjà vu, hein, ça fait seulement deux ans que les jeunes Africains ont parlé en débat avec toi. Tu es là en train de rire là. Tu crois que c'est une façon de, raconter une histoire ou bien quelque chose de... Ah Ou bien tu rêves, non, réveille-toi, réveille-toi là. <laughs> Burkina Faso, tu vas voir, elle va se présenter. Et je pense que c'est ce que Arthur a dit, lorsque ça ne marche pas, il faut le reconnaître suis Elda Kwama. Je suis, je suis africaine, je suis burkinabé, je suis intègre. Merci. 30 secondes. Je veux juste rappeler à Monsieur le Président que ce qui se passe au Sahel n'est que les conséquences de ce qui a été fait en Libye cette intervention en Libye où vous avez oublié, quand je parle de vous, je ne parle pas de votre personne, je parle de votre position, vous avez oublié l'existence de l'Union africaine. Monsieur le Président, vous l'aimez le dire, nous sommes au Mali pour aider le Mali. Si nous n'étions pas venus au Sahel, il n'allait pas avoir de gouvernement actuellement au Mali. J'ai envie de vous dire que si ce n'était pas les Africains, il n'allait pas avoir de France aujourd'hui. Nous sommes liés, nous sommes liés, nous sommes liés. Arrêtez de dire que vous êtes venus nous aider. Non, parce que le terrorisme ne menace pas que le Mali. Vous êtes aussi menacés. Arrêtez de nous culpabiliser sur une position de victime. Mais Adam, je ne vous culpabilise pas. Monsieur le Président, je n'ai pas terminé. non Mali a parlé. Et maintenant, c'est le Niger. <laughs> c'est le Niger. Macron chez nous, on mange. Ah! Chez nous, on mange. Non, il n'y a pas de bakay. Et non, non, non, on t'avait dit, on n'a pas besoin de la France, c'est vous qui avez besoin de nous, pas nous. Vous êtes là seulement en train de parler à maman, maman, un partenaire. Qui a quoi Non Non Tout est pété. C'est arrivé, hein? hein? hein? Macron Sur le plateau là, Macron est tranquille. Il écrit seulement. Il note seulement sur, une cahier là, ouais. Tu crois que c'est. Alors nous prions. J'ai oublié, je vous love, je vous t'aime, Je vous